plus la voiture, ah tu ne, tu, voilà, la voiture elle est commandée à 10 ah da ngay toog fu la neex di ko commandé pour muy ñëw ah, ah, ba pare li ci gën a bees euh, ci li nga xam technologie bi ñu ci tu peux être à une distance parce que xam nga normalement les loo gis dafa mel ni comme le wifi comme 300 euh, mètres 200 mètres 100 mètres bluetooth euh, l'infrarouge et cetera y a une distance pour xam te ne lañ lay may pour nga mën ko utiliser alors tey avec les jouets il y avait une distance

tu comprends ah parce que tout simplement voilà les ci système Qui nga xamante ne instauré ci euh, ci jeu yu c'est-à-dire que l'enfant a la possibilité de jouer à distance de se faire euh, des idées sur euh, ah. les plumes muy def. man ça rate pas chaque fois que je vois un enfant ma le ko jouer. après m'attarder après aussi. voilà et en plus li gëna les li ci encore moins que ces ces voitures télécommandées ils ont même la possibilité à partir de la commande de modifier le, la voiture. Absolument. Il y a des voitures, ils sont non seulement voitures, ils sont robots, ils ont plusieurs formes. Transformers. Les, voilà, c'est des Transformers, voilà. Donc tu peux, avec la télécommande, euh, nga dawal ko ba mu robot combat nga bus bouton télécommande bi mu transformer auto bi en en en euh, je sais pas moi un transformer comment on les appelle encore eh, je connais euh, pas tous les personnages là comment on appelle encore les trucs là les Avengers là Avengers voilà nga def ko Avengers Comment di bandi bandi lu amener xam te da avion. mu commence naaw ci kër à travers la télécommande. wala Mario Bros. voilà donc Mario bini par exemple day nekk voiture de course. su la nga euh, de course bi ci ginnaaw. mu voiture standard. une voiture normale qui se balade qui a envie juste d'aller faire un petit tour dans la maison. Mhm. voilà donc euh, te xale bi su ko il peut le sortir dans la rue et par exemple il y a certains voilà c'est sécurisé il y a des espaces de jeu comme bi à gauche bi à gauche euh, voilà comme Boy bi il y a des espaces de jeu donc l'enfant peut se mettre dans son espace de jeu dehors et conduire sa voiture comme s'il était dans sur l'autoroute en train de conduire et c'est sécurisé et tout alors c'est des voitures yoramtené. il euh, y a que la télécommande qui peut les faire fonctionner uh-huh. déjà l'autre rek mooy sàcc tu euh, ku bi ku jouet bi télécommande tu vas être obligé de te débrouiller tout seul pour le faire marcher bu bu takk télécommande bi que bësuloo télécommande bi roue yi du fonctionner. Tata mayte am na beneen tamit style euh, oto bu ma gisoon. Mhm. mooy tu mets ton enfant tu lui attaches la ceinture comme soo doon nekk ci oto. waaw yow nga yore télécommande bi di ko dawalal ndànk mais c'est génial ça bien sûr ça c'est les grosses voitures. en fait il y a des voitures yoo xam ne ils ont été euh, faits sous des normes comme euh, pour des personnes. Grandeur nature, Grandeur nature, bah voilà. Euh, comme on a dit des 3D, comme on est à l'ère du 3D, du 4D. Mhm. Donc voilà, c'est des 4D. Euh, Yo xamantene xalé bu xatna ci. Mhm. soutenir à un certain âge, donc de femme âge, en fait de 0 à tel âge, Il xalé ba mën na Alors bu ci xalé bi togué, il y a des pédales l'enfant conduit tout seul la voiture sans même télécommande l'enfant a des boutons magnétiques yu am boutons numériques Il y a ci biir mhm day bus, affaire bi tak comme moteur auto c'est que ñom ay chauffard nañu âge bobu ay chauffard nañu voilà donc euh, justement donc auto bobu noonu dañ ko def de telle sorte que ne euh, tout ce qui est système électronique am na ci mhm. xalé bi moy talal bopam de ben bouton affaire bi def euh, comme si la voiture était allumée avec une sirène et tout Voilà, hein. avec des pédales alors l'enfant a l'impression de conduire réellement une voiture alors c'est pour ça qu'on voit parfois des enfants qui dès le bas âge sont passionnés d'automobile quels sont les les les modèles de voitures les plus demandés bu pompier voilà. avant on voyait beaucoup ce genre de voitures là c'est des voitures de pompiers des voitures de police même les de guerre les les les mini Hummer là comme voitures. les voitures voilà les voitures de course comme par exemple oui. nga de course là pour les rallyes etc ils ont ils sont dans les comme par exemple le Flash McQueen qu'on a regardé tout à l'heure il y a une voiture Flash McQueen mais en même temps avion. Le Flash McQueen. Flash McQueen yo xamoo Flash McQueen boboy bombe loolu boobu xalé yi moom la ñuy seetaan télé yaakaar ñom ñoom seen bopp mën nañ nek ñaar yépp en même temps je pense que sax Cheikh génne won na ko fi sank va je j'ai j'ai aperçu la voiture ti uh-huh. euh, manette euh, manette ci wala euh, PlayStation xalé yi ci yoy lañ nek avec des voitures comme par exemple tu as vu cette voiture xamante da fay transformer wu mhm. mën na jóge ci état voiture classique dem ci voiture de combat jóge ci voiture de lit dem ci dem voiture de l'élé. Ah, voilà flash mécune mooy nekk nee lu xonk lee né né eh, voilà ouais mais il y a que des bagnoles dedans voilà les enfants adorent ces ces ces ces dessins animés parce que la voiture elle elle fait elle fait voiture de course elle fait aussi avion mais film la film la au cinéma c'est un dessin animé ah un film oui c'est ça donc euh, voilà donc euh, muy ben ay voiture yo xam tane les enfants aiment ça parce que non seulement c'est des voitures qu'ils retrouvent dans les dessins animés ils ont la possibilité de l'avoir en tant que jouet. absolument donc c'est le choix que les parents ont fait quand ils achètent maintenant un cadeau pour leurs enfants ils ne font pas un choix personnel. Ils regardent ce le ah plus C'est que l'enfant a comme voilà c'est comme quand tu parles de Spider-Man aujourd'hui un enfant tu lui achètes du Spider-Man tu as fait sa vie hein il a l'impression que demain il va être Spider-Man. Bon, pour moment, maman, Spider-Man. c'est le yekti timuri, voilà, des Donc, en fait, c'est ça le, plus qu'il y a aujourd'hui bah d'acheter des cadeaux pour un enfant. Il faut lui faire plaisir. De lui acheter ce qu'il aime, en fait. Mhm. Et donc, ce dans quoi il se retrouve. Parce qu'un enfant se retrouve dans un univers. Il faut peut-être d'abord le laisser dans cet univers animé-là, euh, accompagner coach univers pour mm Ça lui permet de, d'ouvrir son esprit de cet univers-là. C'est pas parce qu'il est dans un univers, dans un univers de combat que c'est un enfant qui va devenir rebelle après. Non, non, non. Et puis quelque il va apprendre dans ça. Et puis il y a quelque chose d'important, Tata Maïté. Le Papa Noël existe. Wow. Petit Papa Noël, il existe. Petit Papa Noël. Hein. Dans toutes les maisons, il y a Petit Papa Noël. Oui, il y a, et ça existe, Petit Papa Noël. C'est lui qui amène des cadeaux pour les enfants sages et qui ont bien travaillé à l'école. Wow. dans toutes les maisons, il y a Petit Papa Noël. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il faut rester sage. Voilà, c'est ça. Bien apprendre à l'école et avoir Petit Papa Noël. Avoir la voiture télécommandée que l'on souhaite. Oui, que je souhaite aussi. Voilà. Tu as dit que tu allais m'offrir une. Oui, oui, je vais t'offrir une, voiture. Voilà. Je vais te donner une voiture et euh, commander. non Voiture commandée. Depuis quand on est en <laughs> non peut-être peut-être wutir commandé ça c'est la nouveauté non non wutir bi xam nga moy man lan lamay guiné moy affaire boobu nga xam ne dañ koy def ak ay ak ay xottu pot nga euh, koy euh, mais légui dañ ko moderniser bu ànd ak télécommande loo foofu doo wax voiture rek Vous ah, voiture. C'est bien. Voilà, donc on, vous, on, on <laughs> apportait juste ce petit plus voilà, pour dire que aujourd'hui les parents ont plusieurs choix avec cette fin d'année mhm. pour euh, choisir la voiture qu'ils veulent, euh, le cadeau qu'ils vont offrir à leurs enfants pour Noël. Et ça existe pour toutes les voilà, bourses. Voilà, ça existe. Il y a toutes les bourses, il y a toutes formes de voitures. Mhm. L'enfant même peut faire un choix. Mhm. Par exemple, on a un site sur lequel on peut. Et vous, un petit site nga mu le par exemple la voiture qu'il veut oh, tu as la démonstration de la voiture Dans na magasin il y a pour jouer, il y a les démonstrations Dans lay tijjil jouet bi defal la démonstration bouton bi ngay pour oto bi mhm. pour reculer bi avancer pour que nga mën ko wan sa doom il va faire la même chose pour s'amuser avec la voiture après les voitures 4D euh, c'est des grands formats ils existent aussi yo xam mën nga ci teg sa dom yow sa bop si tu as le temps nga télécommander ko mu avancer comme tu peux acheter yi nga xamante c'est carrément électronique l'enfant s'assoit dedans on le danse hum. ba sa bopam appuie start euh, def avant mom xalé bi mën na la wax fan la jàngul code jàngul code la tudd jàngul code démb rek maa ngi seetaan des <laughs> film bo xam ben xalé bo xale il est au au jardin hum. l'enfant enfant voulait sauver son oncle xale bi ndekete bi papa mag yaayam di dawal yëpp mu ngi xool li ñuy def xale bi dem jël tracteur ba dawal tracteur ba ba ci nijaay bi tonton bi ne ko comment tu as fait mu ne ko euh, l'embrayage ici c'est l'embrayage ici c'est le frein ici c'est la xawma voilà pour te dire que les enfants tout et ah, après, ce sont des enfants qui vont devenir passionnés de l'électronique, passionnés de l'électronique. Là, on en voit des jeunes, ils te font de ces trucs ils sont des génies électroniques au tu tu da qui depuis bas âge il a kiffé ce truc là. absolument il a grandi avec et aujourd'hui c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent et souvent après, après ay vocation euh, voilà Du dossier et puis voilà. il après tu grandis euh, là-dessus ni dañuy yin nek ay d'afar oto Ni mujj nekk ay jaaykatu absolument ni moudunek voilà à trucs robotiques et voilà donc on salue au passage les jeunes qui sont dans le robotique. qui font un excellent travail qui représentent le Sénégal un peu partout dans le monde. absolument et qui sont euh, sortis d'ailleurs du, centre euh, du Sénégal-Japon, de l'école Sénégal-Japon. Voilà, l'école Sénégal-Japon, hein, qui, a formé beaucoup de, beaucoup dans, jeunes, dans, ça. Voilà. Machallah. Merci Tata Maïté, nous parlions. De des ventes ah, télécommandées. Essaye. Essaye, y cadeau Noël et